les statistiques, euh, les statistiques, ça manque pas par rapport euh, aux interpellations. Je vous donne euh, des exemples. Par exemple, en 2017, mhm. sur 2761 personnes interpellées, interpellée, 75% mhm. sont des jeunes dont l'âge varie entre moins de 18 et 39 ans. Et 3,7% de ces jeunes mhm. sont des mineurs de moins de 18 ans. Quand on prend les statistiques euh, de l'année 2018, mhm. sur 3064 personnes interpellées, 74% sont des jeunes, dont l'âge varie entre moins de 18 à 39 ans, avec 2,81% sont des mineurs de moins de 18 ans. En 2019, nous avons interpellé 1687 personnes qui sont toujours dans cette fourchette d'âge mhm. de moins de 18 à 39 ans, ce qui démontre aujourd'hui que notre jeunesse mhm est beaucoup plus impliqué dans la consommation de la drogue. Oui, Adélie, d'où proviennent ces drogues aussi en grande quantité au Niger Les drogues euh, viennent de partout. Le Niger, euh, aujourd'hui, a une superficie de 1 267 000 km2. Nos frontières sont souvent poreuses. Les drogues viennent euh, de l'extérieur pour souvent transiter ici au Niger. Et souvent, il faut se dire qu'il il y a des types de drogues qui sont consommées sur le territoire euh, national. Par exemple, ici au Niger, on consomme beaucoup plus euh, le cannabis. On retrouve euh, la cocaïne, mais aussi les amphétamines comme le tramadol, les diazépam, mais aussi le crack.